Nous voulons qu'il se déroule dans notre pays, c'est-à-dire le Niger, des élections paisibles, des élections inclusives, des élections indépendantes et des élections transparentes. Les 350 observateurs déployés par le WANEP ont remonté d'importantes informations et qui nous autorisent de donner un point sur le déroulement du vote. Globalement, le vote se déroule normalement. Il y a eu plusieurs constats. Par exemple, des bureaux de vote qui ont ouvert à retard, à Filengue, Filengue pour faille. Des bureaux de vote qui ont ouvert à retard presque un peu partout dans les régions. Mais cela n'entame à rien les votes parce que les votes démarrent normalement les électeurs sont en attente, ils s'alignent et au sein des bureaux que nos observateurs ont observés, toutes les directives données par la CENI, conformément aux textes en vigueur, sont appliquées par les membres du bureau de vote. Et le plus important, ce que les, forces de défense et de, sécurité sont également présentes et assurent la sécurité du, du vote. Nous avons constaté, très malheureusement, des cas d'intimidation, des cas d'achat de conscience, mais qui ne sont pas importants, qui ne peuvent pas jouer sur le vote. Donc c'est pourquoi je vous dis, à 17h, à 17h, dans toutes les régions, les électeurs ont voté, ils ont jeté donc euh, leur bulletin unique dans, dans l'urne, pour certains, et ceux qui sont en retard sont présentement encore de s'orienter vers les différents bureaux de vote.